le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Le Forum du Studio Kalangou que j'ai le plaisir de vous présenter. Au menu du forum de ce soir, nous parlerons des récentes inondations qui ont eu lieu à Filangué et à Boza, respectivement, dans la région de Tilaberi et de Tawa. Vous entendrez les préfets de ces deux départements dans ce forum. Il sera également question dans ce forum d'éducation, d'économie ainsi que d'objectifs de développement durable Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Le Forum du Studio Kalangou. Parlant inondation, dans la nuit du samedi au dimanche dernier, l'effondrement d'une maison a causé la mort de trois enfants suite à une pluie de 105, mm dans le village de Angual Dangana, Danya, localité située dans la commune rurale d'Alakei, région d'Ottawa. Selon Ilayas Sanoussi, préfet du département de Boza, mission du gouverneur de la région s'est aussitôt déplacé sur les lieux du sinistre pour réconforter et assister les victimes. Il Ila aussi préfet du département de Bouza, joint par téléphone. La pluie a commencé à partir de 5 heures du matin de dimanche et s'est étalée jusqu'à 9 heures. Les hauteurs enregistrées dans euh, le village concerné, près de 65 mm. Cette nuit euh, a été une euh, nuit assez, assez préoccupante pour ces populations puisque une maison s'était fondée sur une population trois enfants tous âgés de 12 ans ont péri. Donc, euh, aussitôt informé, j'ai saisi le gouverneur de la région qui m'a demandé comment se rendre dans les lieux. J'ai signifié qu'effectivement, pendant ce temps-là, la, zone est totalement inaccessible. C'est ainsi que dans les environs de midi, 13 heures comme cela, il a fait le déplacement pour voir des visites. Donc, et moi-même dans le département, avec toute mon équipe, nous sommes partis sur les lieux pour conforter moralement ces populations et leur apporter aussi la compassion de l'autorité de la septième République. C'était désolant quand même. Est-ce qu'il y a eu d'autres dégâts à part cette maison effondrée Il y a des maisons qui sont menacées, puisque l'eau se trouve dans certaines maisons. Et donc, on a essayé de faire de la sensibilisation aux populations pour qu'elles s'y mettent et essayer de faire passer l'eau il y a certains villageois, bien sûr, qui essaient inconsciemment d'obstruer le passage. Donc, euh, la sensibilisation, c'est de faire tout. Dès qu'il y a de l'eau qui stagne, il faut faire tout pour l'évacuer. Ça éviterait, en tout cas, l'effondrement de certaines maisons. Sinon, ce n'est pas la seule maison qui s'est effondrée. Il y en a d'autres qui peuvent suivre par après. Mais des dispositions ont été prises pour que ces maisons qui sont à risque soient vidées euh, aux propriétaires de ces maisons-là. On leur a trouvé quelques endroits plus pour en attendant. Nous aurions appris que c'était une route euh, qui est en construction qui a causé euh, l'obstruction du passage de l'eau, c'est ça Bon, pas immédiatement lié, mais c'est que sur un chantier, le village d'Angoldania est en chantier. Il y a la route Mouja, Angoldania et Alakai qui est en construction. Les travaux sont effectivement au niveau même euh, de ça peut être euh, peut-être une des raisons, mais ce n'est pas la seule. C'est une maison qui est tombée et nous avons vu à l'endroit même qu'on pouvait éviter ces risques. Est-ce qu'il y a eu des champs inondés ou pas Non, non, non. La difficulté, c'est au niveau de cette famille. Est-ce qu'ils ont euh, pu bénéficier d'une quelconque aide de la part euh, des autorités Oui, quand nous étions arrivés, le plus important dans cela, c'était le soutien moral tout le village a apprécié la mission que nous avons faite avec le gouverneur. Et bien sûr, immédiatement, le gouverneur a fait des gestes pour faciliter à la famille victime, en tout cas, le transfert dans un endroit qui lui a été indiqué par les villageois eux-mêmes. En tout cas, je peux rassurer quand même qu'ils ont eu suffisamment de quoi se prendre en charge en matière d'habillement, de, de, de matériel de construction. Vous venez d'écouter Ila Sanoussi, préfet du département de Bouza, joint, par téléphone, joint au téléphone par Raila Toussoumana. Inondation toujours, la ville de Filengue est confrontée à un sérieux problème d'écoulement des eaux de pluie. L'inondation enregistrée le 26 juin dernier en est l'illustration parfaite. Suite à ces problèmes, une rencontre a été initiée par le préfet de Filengue entre les chefs des services de l'hydraulique et du génie rural les chefs de quartier aussi. Détail euh, du directeur euh, départemental de l'hydraulique, Abdusalam Mahamadou Garba. La cause principale, c'est que la ville a été fondée dans les lits Donc, qui dit lit, dit stagnation de l'eau. Et du coup, après une pluviométrie de 10 mm, pour quelqu'un qui ne connaît pas la ville, il va voir, il va penser que c'est 100 mm, il a plus 100 mm. Ça, c'est un. Et de deux, quand vous essayez de visiter la ville, il n'y a aucun système d'évacuation des eaux pluviales. Des caniveaux le long de la RN25, il n'y a aucun caniveau dans la ville de Filengui. Donc, c'est des problèmes. Et quand vous essayez de voir les différentes euh, cartes de la ville de Filengue, quand vous allez voir les côtes, vous allez voir que tout autour de la ville, les terrains sont en élévation comme je l'ai dit, euh, du coup, parce que c'est dans un lit. Donc, du coup, pour essayer de drainer les eaux pluviales, il faut vraiment des gros moyens. Et je pense que c'est ce qui a toujours un peu découragé les mairies. Mais c'est pas une raison. La mairie doit continuer à lutter pour que ces zones privées-là soient évacuées le plus vite possible. Naturellement, le problème d'assainissement se pose. Et qui dit problème d'assainissement dit nuisance liée à ces problèmes. Ça, c'est un. Et de deux, il y a vraiment les maisons qui se fondent à gauche, à droite. Et de trois, les rues sont obstruées pour circuler dans la ville de Filendier. Euh, quelque chose qu'on pouvait faire avant dans les cinq minutes. Maintenant, il faut vraiment 50 minutes pour faire le même tour. Abdul, Salam Garba, directeur départemental de l'hydraulique de Filengue, propos recueillis par Abdoulaye Bagassa. Le préfet du département de Filengue qui a initié ces rencontres avec euh, les différents chefs de service a livré un message pour dire un peu les objectifs visés à travers ces rencontres. Le 26 juin passé, nous avons reçu une pluviométrie, une forte pluie à peu près 53 mm et qui, à notre grande surprise, après des visites dans certains quartiers de la ville, nous avons constaté que c'est de l'eau qui stagne partout dans les maisons et dans des endroits publics. Nous avons tout de suite euh, dépêché les responsables des services techniques, l'hydraulique et, le rural pour effectivement nous faire euh, une situation de ce que nous sommes en train de vivre. C'est suite donc à cette situation que nous avons convoyé les chefs de quartier, les conseillers municipaux, le, maire, les médias et les services techniques pour une rencontre. Cette rencontre vise essentiellement à voir euh, quelle est la situation que nous sommes en train de vivre et avant que nous ne demandions de l'aide à qui que ce soit, qu'est-ce que nous, nous pouvions faire en notre sein. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, après donc cette rencontre, euh, nous avons convenu de, euh, déboucher toutes les, toutes les canalisations qui pouvaient drainer de l'eau, qui étaient bouchées depuis plus de 4 ou 5 ans. Nous allons les déboucher. On a même fixé une date, ce serait le 9 euh, juillet. Et nous allons faire une canalisation au niveau des flaques d'eau pour essayer de drainer l'eau dans, des, dans des mares. Voilà en gros ce que nous avons arrêté à cette réunion. Et c'est à partir de cette réunion que nous avons décidé aussi de réchauffer un dossier que nous n'avons pas, nous avons entendu parler, mais nous n'avons pas encore vu ce dossier, qui doit être avec la mairie et des partenaires. Nous allons demander à la mairie de réchauffer le dossier et de voir exactement où se situe le problème pour que nous puissions le débloquer. Issa Kasumana, préfet du département de Filengue. Dans la région de Difa, les écoles se trouvant dans les zones touchées par les attaques de Boko Haram ont été déplacées pour éviter aux élèves de perdre leur scolarité. Ainsi, 59 écoles ont été replacées sur un autre site. Comment les élèves de ces écoles ont pu effectuer les évaluations de fin d'année Gungu Maman Dantani s'est entretenu avec Hassan Hamza, directeur régional de l'enseignement primaire de Difa. Nous Hassan Samna, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes euh, le co-coordonnateur euh, des cause. Quelle relation existe-t-il entre la cause et le gouvernement actuellement Vous savez, la cause Niger, depuis que nous avons eu à lancer donc, euh, ce mot d'ordre donc, de blocage des examens et des tâches administratives, nos relations avec le gouvernement, disons, ne sont pas du tout bonnes. Il y a eu juste quelques rencontres, des rencontres qui de notre point de vue, devrait nous rassurer par rapport aux engagements pris par le gouvernement ou des rencontres qui devraient nous donner des solutions par rapport aux problèmes que nous avons posés. Mais malheureusement, ces rencontres que nous avons eues avec la partie gouvernementale n'avaient rien proposé de concret donc à notre cadre, à notre organisation, à savoir la cause Niger. Donc nous, nous pouvons dire que véritablement, s'il faut parler des relations ou des rapports qu'il y a entre le gouvernement et la cause Niger, c'est véritablement des relations de mépris, puisque nous le disons simplement parce que nous avons vu lorsque certaines organisations avaient lancé leur mot d'ordre, et dans les jours qui suivaient, les préoccupations ont trouvé des solutions. Par contre, chez nous, au niveau de la cause Niger, nous continuons à attendre toujours de la partie gouvernementale la satisfaction de nos points de revendication. À la date d'aujourd'hui, nous avons des camarades qui ont encore trois à quatre mois d'arrêt de pécule, euh, s'il vous plaît. Au moment où le gouvernement est en train de payer le salaire du mois de juin dans certaines localités, les mêmes salaires des mêmes agents de l'État, à savoir les enseignants, au mois donc du mois de mai, attendent encore. Donc vraiment, nous, au niveau donc, de la cause nigérienne, c'est véritablement un mépris que nous sentons de la part du gouvernement. C'est vraiment euh, un abandon donc, donc, du secteur de l'éducation. Monsieur le co-coordinateur Alio Hassan Samna, selon vous, quels sont les points objets de blocage Et Les points sont, sont si simples. Le premier, c'est un engagement que le gouvernement avait eu à prendre. C'est de payer les enseignants contractuels en même temps que les enseignants titulaires et à terme échu. À la fin de chaque mois, chaque enseignant, qu'il soit titulaire ou contractuel, devrait être payé. je vous le disais tout à l'heure, malheureusement, le constat que nous avons fait, il y a des enseignants qui ont deux mois d'arriéré, il y a des contractuels qui en ont trois à quatre mois donc d'arriéré, donc des pécules. Mars n'est pas, il n'a pas été payé dans des localités comme par exemple Filengue. Donc nous continuons à attendre de la partie gouvernementale le paiement des pécules du mois de mars, avril, mai et juin et les salaires des, enseignants titulaires au mois de mai et juin dans beaucoup de localités. Donc, le deuxième point, c'était le recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique. Les recrutements au titre des années 2012, 2013, 2014 n'étant pas achevés, le gouvernement avait pris l'engagement de les parachever et d'ouvrir les recrutements au titre des années 2015 et 2016. À la date d'aujourd'hui, ce point est resté sans aucune solution. Le troisième point, il s'agit donc du rappel de la prime de crédit. Récemment, le gouvernement l'a promis, se rappel, au mois de mai. Mai est venu, ça n'a pas été fait. Au mois de juin, juin est arrivé, le gouvernement n'a pas régularisé. Donc, or, ce rappel de primes décret date de 2014. À la date d'aujourd'hui, cela n'est pas encore réglé. Le gouvernement avait pris l'engagement donc d'octroyer à l'ensemble des enseignantes et enseignants un statut particulier. Le document est prêt, mais à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de conseil des ministres pour pouvoir adopter donc ce document. Et pire, les rappels des salaires des enseignants recrutés à la fonction publique, qui ont été transmis au Trésor, des documents prêts qui devraient être payés depuis 2014, depuis décembre 2014, continuent encore à ne pas être payés. La grille salariale que le gouvernement de la 7 République a promis aux enseignantes et aux enseignants tarde encore à se concrétiser. En résumé, vous voyez l'ensemble de ces préoccupations qui ont été posées au gouvernement. Aucune n'a trouvé une solution satisfaisante conformément au mode d'ordre que vous avez lancé, est-ce que vous êtes toujours dans la logique euh, de boycotter euh, les examens scolaires et les notes administratives Oui, mais euh, déjà, les examens donc, du CFEPD, au niveau de la formation professionnelle et au niveau du BEPC ont été exécutés sans nos camarades. Je voudrais dire sans la majorité de nos camarades. Vous avez vu les conditions dans lesquelles ces examens ont été organisés. Il y a une localité d'une région, je ne voudrais pas citer, mais je vous donne les informations quand vous voulez, ou à la date d'aujourd'hui. Les résultats, vous avez du BPC sont presque finis. Ils seront délivrés demain, ils seront proclamés demain. Où nous avons constaté qu'il y a des localités qui dépassent les grands centres en taux d'admission. Donc c'est pour vous dire que véritablement, et la moyenne au niveau donc de Niamey, d'après les sources que nous avons, la moyenne d'admission au niveau donc des taux, les taux varient entre 10 à 20 C'est pour vous dire que en réalité, les examens n'ont pas été organisés même au niveau des surveillances, pas seulement des corrections, nous parlons même des surveillances, les surveillances n'ont pas été faites dans les conditions normales. Deux surveillants par salle et deux personnes qualifiées. Malheureusement, on s'est retrouvé avec n'importe qui comme étant surveillant et on s'est retrouvé avec n'importe quoi comme correcteur et la conséquence, vous allez le sentir de demain après proclamation. Juste au sage. à 7,5 sur 20 cette année, le BPC sera catastrophique puisque cela a été vraiment organisé dans les conditions que vous connaissez. C'est ah, pour vous dire que nous, au niveau de la cause Niger, notre mot d'ordre donc court toujours. Nous avons demandé aux camarades de boycotter, de ne pas aller. Nous leur demandons également de ne pas aller aux examens donc, du bac et de, ne pas aller et aux surveillances et à la correction donc, de ces épreuves. Dans quelles conditions les copies des élèves ont été corrigées Mais je vous dis, corriger, des épreuves, par exemple, je prends l'exemple simplement des mathématiques ou des, ou des physiques. Si on le français, on peut penser que eh, beaucoup de gens peuvent corriger des épreuves, mais je vous dis que lorsque ces épreuves ont été confiées à ceux-là qui ne sont pas ceux qui ont tenu les classes, qui ont proposé des sujets comme celui-là, des gens qui, effectivement, ont le niveau, parce que nous le connaissons, nous nous connaissons. Il y a certains collègues auxquels on confie ces classes d'examen. Et lorsque la correction se retrouve avec ceux-là qui, pendant de nombreuses années, ou pendant combien d'années, n'avaient tenu que des classes de 6e, 5e, et qui se retrouvent aujourd'hui devant les épreuves de troisième, imaginez ce que cela peut représenter. Et c'est à cela que nous avons assisté. Mais malheureusement, le responsable de cette situation n'est que le gouvernement. Le gouvernement est le seul responsable de la situation ainsi créée. Il sera seul qui rendra compte devant l'histoire, devant les parents d'élèves et devant donc, la nation nigérienne donc, de ce qui s'est passé cette année aux examens de CFEPD, aux examens du BPC e et ce qui adviendra aux examens du baccalauréat. Alio Hassan Samda, est-ce que la cause va contester la crédibilité de ces examens mais, ces examens sont-ils crédibles c'est la question qu'il faut simplement se poser. Mais même au gouvernement, si nous posons cette question, ces examens sont-ils crédibles Nous sommes conscients que la réponse, c'est que tout le monde reconnaît qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas correctes et que ces examens ne peuvent être considérés comme étant des examens crédibles. Pour nous, au niveau de la cause, nous ne sommes pas dedans. C'est au gouvernement d'assumer les conséquences de ce qu'il a eu après vous. Hassan Samna, on vous remercie. Je vous remercie aussi. Vous avez pu le constater avec nous, c'était plutôt Ali Hassan Samna qui est le co-coordinateur de la cause, la convergence pour l'action, la convergence pour l'action unitaire du syndicat des enseignants il euh, répondait relativement à la question du boycott euh, du BFC, brevet euh, d'études du premier cycle. Hier, vous avez pu écouter sur les antennes du studio Kalangou la direction régionale de l'enseignement secondaire de Niamey qui affirmait que le mouvement entamé par ses enseignants n'a pas été suivi en effet, selon le responsable de la direction régionale, les, examens du BPC se sont bien passés du déroulement jusqu'à la correction dans l'ensemble de la capitale de Niamey. Venons-en à présent la région de Difa, je le disais, les écoles se trouvant dans les zones touchées par les attaques de Boko Haram ont été déplacées pour éviter aux élèves de perdre leur scolarité. Ainsi, 59 écoles ont été replacées sur un autre site comment les élèves de ces écoles ont pu effectuer les évaluations de fin d'année, Gungu Maman Dantani s'est entretenu avec Hassan Hamza, directeur régional de l'enseignement primaire de DIFA. Nous l'écoutons. Nous sommes à la fin de l'année. Faites-nous un peu la situation des écoles délocalisées, appelées écoles temporaires dans la région de Difa. Ce qu'il faut dire pour les écoles relocalisées de la région de Difa, c'est des écoles qui se trouvent dans la commune de Méni, d'Issa, Borso et Ndingini. Le nombre de ces écoles localisées, c'est des écoles qui étaient avant au bord de l'eau, à Komadougou Et suite à l'insécurité, la population sent déplacée. Nous avons été amenés à créer des écoles, que nous appelons ici des écoles de suite spontanée. il y a également des parents qui ont quitté pour ces localités-là pour venir vers les villes. Les élèves ont été accueillis dans des écoles d'accueil. L'ensemble de ces écoles d'urgence, nous avons au niveau de la région de 59 écoles pour un mètre de 17 825 élèves enfants, dont 8 782 Parmi ces enfants, surtout dans les écoles d'accueil, vous avez des autochtones, donc les enfants qui sont sur place, et vous avez encore également des enfants de déplacés. Les cours euh, se sont euh, bien déroulés du début jusqu'à cette fin de l'année oui, pratiquement ces écoles ont fini le programme pour l'ensemble de ces écoles. Le seul endroit où on a eu difficulté, c'est à Bosso avec les derniers événements de Bosso où les enfants n'ont pas pu composer à temps puisque l'évaluation, le dernier trimestre, avait commencé le 13 pour finir le 17 juin. Nous avons été obligés de décaler pour cette inspection la date de l'examen. Nous avons fait l'examen le 20 au niveau de, de et de Timur. Et l'ensemble de ces élèves-là, finalement, ont composé vers notre évaluation. Parmi ces euh, élèves, il y a ceux qui doivent évaluer pour passer au secondaire On Au même titre que les autres élèves du il y a trois évaluations. L'évaluation du dernier trimestre sur l'ensemble du territoire, ça devait commencer du 13 au 17. Mais tous ces enfants, on a décalé compte tenu des événements qui se sont passés et ils ont pu composer à partir du 20. ils ont composé, ils ont eu leur donc ils vont avoir les notes qu'on même titre que les autres élèves. On peut avoir leurs chiffres L'ensemble, c'est 23 élèves, entre Boto et Timur. Sur l'ensemble, il faut dire, euh, le premier chiffre, c'était ça, Au niveau de Bosson, on avait trois types de regroupements. Bosson, Tumour et Ngadam 2 qui est au bord du Goudan. Les élèves de Ngadam 2 ont pu proposer les 13 voitures qui sont au, bord du Goudan, un peu plus éloignés de, de Tumour et de Bosson. Mais les 83 élèves ont pu composer par la suite. Donc, euh, pour l'essentiel, les 122 élèves là ont composé. Merci, monsieur le directeur. Merci. Vous venez d'écouter Hassan Hamza, directeur régional de l'enseignement primaire de DIFA, propos recueillis par Gungu Maman Dantani les programmes de Studio Kalangou à Niamey sur la radio alternative 99.4 FM à Zender sur la radio Choukra FM 105.5 FM à Dosso sur la radio Farah 92 FM à Tawa sur la radio Tambara 107 FM à Arlit sur la radio Ikokan 95.1 FM à Agadez sur la radio Nomad FM 101.9 FM à Tilabéri. Sur la radio Téboissé. 97.5 FM à Maradi. Sur la radio Garquois. 107 FM à Filengue. Sur la radio Mouriatalata. 95.1 FM à Difa. Sur la radio Anfani. 100 FM. Studio Kalangu. Ramadan tire à sa fin un mois de forte consommation de divers produits alimentaires par les musulman. musulmans. Quel impact sur l'économie nationale Nous nous sommes entretenus avec euh, Souley Mahmadou. il est l'animateur et le producteur de l'émission Business Challenge. et le journaliste économiste. Nous l'écoutons. Bonsoir, c'est Souleymane Bonsoir. Nous sommes euh, pratiquement vers la fin du mois de Ramadan, mois durant lequel les fidèles musulmans pratiquent euh, le jeûne. Chaque soir, il y a la rupture de jeûne où chacun cherche à se préparer le maximum de, produits alimentaires nécessaires pour, pour rompre le jeûne. Dites-nous, pendant ce mois, quel est l'impact que ce mois peut avoir sur l'économie nigérienne euh, dans beaucoup de pays, une telle analyse se fait chaque année pour voir euh, quels sont euh, les impacts possibles. Au Niger, si on me demande est-ce que l'impact est positif ou négatif, je dirais oui et non. Hmm? Nous avons un impact, je ne suis pas sûr s'il est positif ni s'il est négatif, c'est mitigé. Ce qu'on peut constater, c'est que le mois de Ramadan est un mois de pic de consommation, de consommation essentiellement de produits alimentaires. Donc, vous allez voir sur les marchés, il y aura une forte demande pour tous les biens de consommation courante, le sucre, le lait, euh, la banane, euh, les, condiments, les légumes, tout ça, la consommation va exploser. Donc a priori, quand il y a une augmentation de la consommation, ça veut dire que il y a une augmentation de volume de change et de revenus pour les commerçants, n'est-ce pas On peut dire a priori c'est une bonne chose. Sur ce plan, oui, peut-être que euh, sur nos marchés, il y a des commerçants qui profitent bien de cette euh, euh, pic de consommation et qui fait qu'ils ont une augmentation de recettes. Maintenant, au-delà des commerçants, peut-être que ça va faire en sorte qu'au niveau de l'État, il y ait un certain nombre de recettes aussi dans la caisse de l'État sous forme de taxes, sous forme d'impôts prélevés sur la consommation, prélevés sur les biens qui rentrent dans le pays sous forme de biens importés. Donc ça, c'est un impact positif, mais c'est un impact positif qui est limité. Il est limité par plusieurs euh, effets. Euh, la première réalité économique qui euh, limite cet impact positif, c'est que le Niger est un pays extrêmement dépendant des marchés extérieurs. Le Niger ne produit pas. L'essentiel de notre consommation, et ça il faut le déplorer, y compris sur le plan alimentaire, est une consommation qui vient de l'importation. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le Niger va faire sortir des devises, aller sur les marchés euh, extérieurs, acheter des produits, venir les vendre. Et donc, il n'y a pas de création de valeur ajoutée. Ce qui fait que, par exemple, beaucoup d'argent va sortir du pays pour acheter du sucre, pour acheter du lait, pour acheter des boissons gazeuses, pour acheter tous les biens que vous pouvez imaginer qu'on consomme pendant le ramadan. Mais ça va plutôt enrichir, en fait, l'industriel du Pakistan, l'industriel euh, français, l'industriel euh, maghrébin, je ne sais pas où. Parce qu'eux, ils produisent. Et c'est leur bien que nous partons acheter. Et chez nous, tout ce qui va se passer, c'est juste en fait la consommation qui n'a pas de valeur ajoutée et de distribution de richesses à l'intérieur du pays. Donc ça, c'est un premier effet limitatif. Euh, ceux qui partent à importer ces produits, c'est pour bien sûr avoir des profits. Oui, mais en fait, le, problème du commerce, de l'import-export, c'est que l'import-export euh, ne crée pas une valeur ajoutée de masse. Je vais vous prendre un exemple. Quand un commerçant part acheter des produits, regardez la chaîne. D'abord, il ne fabrique pas, il achète juste. Il y a combien de personnes qu'il emploie pour faire ce travail-là Souvent, dans une boutique, c'est une ou deux personnes. D'accord Et il n'y a pas de transformation, il n'y a rien. Donc, au final, en fait, les retombées pour l'économie nationale, lorsqu'il s'agit du commerce, sont extrêmement limitées. Mais lorsque c'est une industrie, prenez par exemple une industrie laitière, elle va acheter Hmm, euh, le lait, le, brut, la matière première. Donc, il y a des, des éleveurs qui sont enrichis lorsqu'elle l'achète dans le pays. Elle va la transformer donc il y a des emplois qui sont créés pour ça. Elle va acheter euh, des nouvelles matières premières qu'elle va mettre dans la production. Il y aura tellement de faits en fait sur l'économie. Donc ça c'est le premier stade qui montre que c'est vrai la consommation va augmenter durant le mois de Ramadan et, et l'importation des produits va augmenter. Il y aura quelques recettes pour l'État, mais de manière générale, ce n'est pas très bénéfique pour l'économie nationale. Euh, une autre façon aussi d'analyser ça. Le Ramadan a un impact aussi sur l'activité, sur le travail, sur l'activité économique. Beaucoup d'économistes, euh, de, d'économistes, en tout cas euh, même au niveau international, estiment que euh, dans le mois de Ramadan, il y a une certaine chute de, de productivité même vous dans les médias, par exemple, je ne sais pas, si vous regardez, est-ce que tous vos collègues travaillent avec la même intensité avant le mois de Ramadan et pendant le mois de Ramadan Souvent, pendant le mois de Ramadan, il y a une baisse de productivité. Bon, ce n'est pas pour dire que le mois de Ramadan est mauvais, hein, mais d'un point de vue économique, souvent, on constate des baisses de productivité dans les entreprises, dans les organisations, dans les services publics pendant Ramadan. Et ça, ça peut avoir un impact négatif sur euh, l'économie. Autre chose, ces baisses de, productivité peuvent affecter même les grandes décisions euh, pour le pays. Par exemple, euh, quand le vote d'une loi peut être reporté parce qu'on pense que pendant Ramadan, on n'a pas la possibilité de travailler euh, intensivement pour euh, pouvoir ratifier des lois ou bien prendre certaines décisions stratégiques. Ça peut arriver, je ne dis pas que c'est le cas forcément au Niger, mais ça peut arriver. Peut-être même chez nous, ça arrive euh, qu'un conseil de ministre ou bien que certaines grandes décisions ne puissent pas être prises parce que euh, on a les batteries faibles pendant Ramadan et vous voyez, ça peut affecter le rythme de la production. Alors, un autre aspect, on sait que souvent, à chaque fois à l'approche du, mois de Ramadan, les autorités se réunissent avec euh, tous les acteurs commerciaux pour essayer de, de plaider euh, pour pouvoir diminuer un peu le coût des différentes céréales et pour permettre aux musulmans de bien faire le jeûne sans trop souffrir pour les différents produits. Souvent, l'État procède à des exonérations sur certains aliments. Euh, là aussi, quelle analyse Oui. en fait, là aussi, c'est euh, quelque chose d'assez paradoxal. C'est vrai que pour l'État, euh, c'est important de permettre aux citoyens d'avoir accès hein, dans les meilleures conditions possibles aux biens de consommation. Hein. parce que comme c'est une eh, période où il y a une forte spiritualité, il y a une forte euh, mobilisation des liens sociaux, hein, même pour aider les autres. Donc, et eh, si quelqu'un n'a pas accès aux biens de consommation, c'est un problème. L'État, naturellement, ça a été toujours la tradition au Niger, négocier avec les commerçants pour que que les prix soient euh, euh, régulés pendant cette période-là. Mais euh, le, grand problème, et que moi je n'arrive pas à comprendre, même dans une perspective économique, c'est la surenchère qu'il y a pendant Ramadan. Par exemple, quelquefois il arrive que les produits existent déjà en stock chez les commerçants. Ils sont vendus, par exemple, un, kilo de sucre vendu à 100 000, et du moins à 1000 francs, qui existe déjà en stock pendant Ramadan, il augmente le prix. Bon, euh, on dit c'est la loi de l'offre et la demande, n'est-ce pas Mais euh, dans le contexte nigérien, les gens s'attendent à ce que même si cette demande-là augmente, que les commerçants, du, fait de leur foi, du fait qu'ils-mêmes sont des musulmans, qu'ils comprennent qu'ils ne doivent pas appliquer systématiquement la logique de l'offre et de la demande, parce qu'il y a cette logique qui dit que chaque fois que la demande explose, l'offre aussi se réajuste. S'il euh, y a une forte demande pour un bien, ça augmente la valeur du bien. S'il y a une faible demande, le bien, lui aussi, est obligé de se déprécier. Donc, par exemple, aujourd'hui, vous avez 100 personnes qui demandent un kilo de sucre, donc, euh, alors que hier, c'était 50 personnes, c'est clair que ça met celui qui vend dans une meilleure posture pour offrir ça euh, de manière euh, un peu plus chère. Bon, ça c'est le paradoxe du Niger parce que ces commerçants qui sont musulmans, qui eux-mêmes jeunes, souvent ont tendance à obéir à la logique purement économique et ne pas tenir compte de la logique de partage, de la logique de la spiritualité. Maintenant, au-delà de ces considérations, mais c'est aussi parce que euh, tout euh, ce, problème revient tous les jours parce qu'on ne prend pas le taureau par le corne. C'est quoi prendre le taureau par le corne Au lieu de négocier toujours sur des biens importés, mais travailler à développer votre industrie nationale. Si ces produits-là sont produits localement, par des industriels nigériens, par euh, des entrepreneurs nigériens qui les transforment, qui ont fait la promotion des, produits locaux, des produits nationaux. Vous allez voir, le débat ne sera pas le même. Parce que le commerçant, quelquefois, qu'est-ce qu'il va vous dire Écoutez, moi, je suis obligé d'augmenter les prix parce que euh, chez mon fournisseur aussi, les prix ont augmenté. Et souvent, vous n'avez pas les moyens d'aller vérifier chez son fournisseur. Et peut-être même, c'est la réalité. Son fournisseur, tenant compte du fait qu'il y aura une pique de demande chez euh, euh, le, commerçant importateur peut lui aussi, à la source, jouer sur les prix. Et parce que ce commerçant-là est obligé d'acheter pour venir satisfaire sa demande. Mais si la production est intérieure, la demande elle est intérieure, donc, ça devient une problématique intérieure. Quand il y a une augmentation des coûts, vous pouvez facilement dire aux industriels, mais attention, vous il n'y a rien qui explique une augmentation des coûts, vos, vos coûts de facteurs n'ont pas changé, et euh, les matières premières n'ont pas augmenté, vous n'allez pas profiter du ramadan pour augmenter les prix. Donc, cette question-là peut trouver une réponse définitive le jour où tous les, euh, tous les acteurs, c'est-à-dire et les commerçants, et les entrepreneurs, et l'État, vont travailler ensemble au Niger pour développer véritablement une industrie nationale. Une industrie nationale capable de produire euh, du sucre, de produire de l'huile, de produire tous les biens de consommation que nous cherchons. Mais dès lors qu'on reste dans l'importation, ça va être le même problème qu'on va essayer de résoudre chaque année, chaque ramadan, mais qu'on ne, euh, ne, résoudra jamais en fait. Alors parlons de, production et de consommation locale. On sait qu'il y a d'autres produits, à savoir la viande, c'est un, une denrée euh, qui est vraiment demandée durant le mois de Ramadan et surtout le jour de la fête où la volaille est, vraiment demandée là, quel avantage pour, pour l'économie du Niger alors là, je trouve quand même que voilà vraiment euh, la pertinence de la question. Là, je pense que c'est tout bénéf pour le Niger, parce qu'en général, ce bétail-là est produit localement, il est consommé localement. Maintenant, on peut faire plus que vendre des bétails sur pied ou bien vendre des bétails chez les bouchers, on peut ajouter de la valeur. un des analystes que j'apprécie bien dans notre environnement économique dit que le, le problème du Niger, c'est un problème de valeur. On ne sait pas ajouter de la valeur à ce que nous avons. Le fait que l'élevage contribue directement hein, à l'alimentation euh, des ménages nigériens, ça, c'est une forte valeur ajoutée. Et remarquez bien, tout l'argent qui est mobilisé via l'élevage va directement dans l'économie nationale. Et l'élevage, c'est encore d'ailleurs tellement bien que quelquefois le Niger exporte du bétail. Et en exportant du bétail, c'est des devises qui reviennent dans notre pays, qui rentrent pour alimenter les caisses de l'État, pour alimenter les poches des familles. Donc ça, c'est une bonne chose. Et je pense que, de ce point de vue, oui, l'impact est, positif. Et il est vrai qu'il y a le levage, il y a le bétail, il y a la volaille, mais on ne crée pas de valeur. Qu'est-ce que vous voulez dire par ce manque de, création de valeur Alors, le manque de création de valeur, c'est-à-dire, c'est la transformation. Regardez, si on a par exemple une industrie agroalimentaire, euh, vous allez voir, au lieu par exemple d'aller acheter du bétail sur pied, vous pouvez acheter le bétail qui a été acheté, abattu, arrangé, découpé, mis euh, sous conditionnement, par exemple, par un industriel. Et vous êtes dans une chaîne industrielle. Là, ça veut dire que celui qui a acheté ce mouton-là, qu'il l'a égorgé, qu'il l'a euh, traité, qui a tout arrangé, qui l'a mis euh, sous forme de filet, sous forme il a acheté de la valeur. C'est comme quand vous partez au supermarché acheter votre, votre viande, n'est-ce pas C'est plus ou moins différent que si vous le partez l'acheter en vrac chez, chez un boucher. Mais on peut faire au-delà de ça. Vous pouvez même avoir des gens qui vont vous faire, par exemple, euh, de la viande transformée, prêt à consommer, hein, tout simplement, hein. euh, euh, fait sous forme de, je ne sais pas moi, si vous le voulez, sous forme de mafé. C'est déjà fait de manière industrielle sous forme de mafé. Bon, il y a tellement d'idées, d'accord L'essentiel, c'est que en faisant ce processus-là, ça permet d'enrichir non pas seulement le leveur, mais ça permet d'enrichir toute une chaîne de, citoyens nigériens, de familles nigériennes, euh, de travailleurs nigériens. Donc, vous voyez, ça va être une longue chaîne et à chaque maillon de la chaîne, chacun s'enrichit parce qu'il a ajouté une petite euh, valeur quelque chose de plus dans la transformation de ce bétail-là. Voilà un peu ce que je voulais dire. Grosso modo, Ramadan et économie nationale, où se situe la barre Alors, où se situe la barre, c'est vraiment compliqué. Hein? c'est mitigé. Moi, je pense que le Ramadan est un coût pour l'économie nationale, pas un bénéfice. Je vous remercie. Vous venez d'écouter Seydou Souley Mamadou, directeur général d'Impact Com et Média et animateur producteur de l'émission Business Challenge. Studio Les programmes de Studio Kalangu à Agadez. Sur la radio Nomad FM. 101.9 FM à Tilaberi. Sur la radio Tebouansi. 97.5 FM à Maradi. Sur la radio Garkwa. 107 FM à Filengue. Sur la radio Mouriatalaka. 95.1 FM à Difa. Sur la radio Anfani. 100 FM. Studio Kalangu. Studio Kalangu pour combler les insuffisances constatées de la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement OMD, les Nations Unies ont élaboré un nouveau programme de développement post-2015 appelé Objectif de développement durable ODD. Selon l'acteur de la société civile Ousmane Dambaji, la bonne exécution de ce programme dont la cérémonie de lancement est prévue pour ce soir permettra de transformer le monde d'ici 2030. Ousmane, d'ici 2030. Ousmane Dambaji, que je vous propose d'écouter, il est au micro de Mokhtar Ousmane Dambachi, bonjour. Bonjour. C'est quoi les ODD les ODD, c'est les objectifs de développement durable qui ont été adoptés en septembre dernier lors de la 70e Assemblée générale des Nations Unies euh, à New York. Donc c'est un programme de développement euh, planétaire effectivement de 15 ans où on estime euh, d'ici 2030, on peut complètement éradiquer la pauvreté sur la planète à travers ces 17 objectifs de développement durable. Il faut d'abord dire que eh, il y a un ancien programme qu'on appelait OMD qui a été mis en œuvre sur 15 ans, de 2000 à 2015, dont l'évaluation nous a fait comprendre qu'effectivement beaucoup d'efforts n'ont pas été fournis par le pays qui a adopté ce programme. Mais huit objectifs qui ont été consignés n'ont pas été atteints par l'ensemble des pays du monde entier. Mais pour corriger cette erreur, les pays du monde entier, sous l'égide des Nations Unies, ont réfléchi et effectivement ont mis un nouveau programme de développement post-2015 qu'on appelle Agenda Développement post-2015 pour les autorités. Donc voilà pourquoi donc, les nations du monde ont adopté effectivement ces 17 objectifs de développement durable qui, naturellement, selon les acteurs de développement, vont euh, carrément permettre de transformer le monde positivement d'ici 2030. Et quels sont les secteurs qui sont concernés par ces ODD c'est pratiquement tous les secteurs de développement qui sont concernés, euh, et être à travers des cibles, mais les principaux euh, secteurs de développement sont 17, en tout cas ont été tous concernés par le nouvel agenda de développement post-2015. Mais il faut d'abord dire pour le pays, pour l'Afrique subsaharienne, ce qui nous intéresse le plus important, c'est l'accès à l'eau potable, l'éducation, la santé et bien d'autres, la bonne gouvernance et autres qui concernent l'Afrique subsaharienne. Mais quand même, il faut dire qu'aujourd'hui, il faut penser que l'eau, c'est la thématique transversale. Avant, dans l'ancien programme OMD, l'eau n'a pas été prise en compte. Mais aujourd'hui, l'eau a été prise en compte comme objectif à part entière. Cela veut dire que l'eau est une thématique transversale parce que avec l'eau, vous avez l'agriculture, avec l'eau, vous avez l'élevage, avec l'eau, vous avez l'énergie. Bref, avec l'eau, vous avez tout. Donc c'est pour ça nos États de l'Afrique subsaharienne vont mettre l'accent sur l'approvisionnement à nous, sur la question de maîtrise de l'eau pour que vraiment on peut booster le développement du Sud 2030. Et c'est pour ça le lancement aura lieu aujourd'hui ce soir pour le Niger, pour que tous les acteurs, toutes les parties prenantes puissent en tout cas être capables de travailler main dans la main pour voir comment est-ce que chacun peut se positionner en tant qu'ambassadeur de développement pour que nous puissions effectivement être au rendez-vous de 2030. Ousmane Dambaji, on vous remercie. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter Ousmane Dambaji, acteur de la société civile nigérienne, propos recueillis par Mokhtar Hamadou. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu à Niamey sur la radio alternative 99.4 FM à Zender sur la radio Choukra FM 105.5 FM à Dosso sur la radio Farah 92 FM à Tawa sur la radio Tambara 107 FM à Arlit sur la radio Ikokan 95.1 FM à Agadez sur la radio Nomad FM 101.9 FM à Tilaberi. Sur la radio Tébouassi. 97.5 FM à Maradi. Sur la radio Garkwa. 107 FM à Filengue. Sur la radio Mouriatalata 95.1 FM à Difa. Sur la radio Anfani. 100 FM. Studio C'est ici que s'achève le forum du studio Kalangou de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Bonne rupture de jeûne à toutes et à tous et bonsoir. Radio Tous les jours. Des journaux d'information. Des magazines. Toute l'actualité du Niger. À 17h30, du lundi au vendredi. Votre programme en Aoussa. À 17h45, du lundi au vendredi. Votre programme en Germain. À 18h, 7 jours sur 7. Votre programme en français.